بسم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ah, soyez le bienvenu sur l'émission aujourd'hui, à ah, l'émission de ah, les relations entre musulmans et non-musulmans. J'ai avec moi dans le studio aujourd'hui pour traiter l'épisode d'aujourd'hui qui est sur l'héritage interconfessionnel est-ce qu'un musulman peut hériter à un non-musulman ou un non-musulman peut hériter à un musulman. Donc, euh, on parle des relations euh, familiales et inter, euh, les, relations familiales interconfessionnelles. Donc, j'ai avec moi dans le studio mes deux frères, M. Ibrahim Idris et aussi M. Robbie Abdelgafar, qui vont nous aider à faire des éclaircissements sur à ce sujet aujourd'hui. Mon, mon, nom c'est Eslim Adiema et euh, j'aimerais faire un aperçu euh, de ce sujet aussi. Nous avons de nombreuses familles euh, qui ont des membres qui ont des confessions différentes. Il y a d'autres qui sont musulmans, il y a d'autres qui sont des chrétiens dans ce monde aujourd'hui, surtout dans les pays comme les pays africains ou même les pays de l'Asie. Donc, euh, euh, la question, c'est que euh, comment est-ce que dans ces genres de famille, quels sont les enseignements de l'islam par rapport aux, relations dans la famille entre ceux qui sont les musulmans et ceux qui ne sont pas les musulmans. J'aimerais commencer avec M. Monsieur Rabi Abgafar. Qu'est-ce que l'islam enseigne euh, quand on parle des relations familiales, euh, des, familles là où on a des gens, d'autres qui sont euh, des membres de famille qui sont chrétiens et d'autres qui sont musulmans. Qu'est-ce que doit être la relation entre les musulmans de ces gens de famille avec les non-musulmans de la famille Ok, merci beaucoup pour votre question. Alhamdulillah. Le Coran et la Sunna nous ordonne de respecter le lien familial, quelle que soit l'origine religieuse des membres de la famille. Dans le Coran, Allah nous rappelle, et je cite, Tenez compte de votre devoir envers Allah, au nom duquel vous vous, vous, appelez les uns et les autres, et de vos obligations concernant les liens de parenté. Donc ça veut dire que c'est une obligation pour tous les musulmans de respecter le lien familial. Pour ajouter aussi, selon Bouhari et Muslim, il dit que le prophète Mohammed nous dit quiconque qui veut que Allah élargisse sa provision dans la vie et vivre longtemps doit respecter le lien familial. Euh, merci beaucoup euh, pour cela. Donc, on, voit que euh, dans le Coran et la Sunna du Prophète nous avons même des évidences qui sont explicites, qui disent que il est important de, de respecter les liens familiaux. Ce qui veut dire qu'il faut cohabiter d'une bonne manière avec les autres, même s'ils ne sont pas les musulmans. au fur et à mesure qu'ils sont toujours dans notre famille, des membres de notre famille, on doit les respecter, on ne doit pas les faire du mal. On ne doit pas dire que parce qu'ils ne sont pas des musulmans, on ne va pas avoir quelque chose à faire avec eux. notre famille, les membres de notre famille, on doit les respecter. Ils sont toujours les membres de notre famille. On doit les considérer comme les êtres humains, pas comme des, êtres à qui il faut fuir. Donc, euh, Monsieur Idriss, euh, votre avis sur euh, cette question euh, merci beaucoup. Euh, nous, avons bien euh, compris, dans le verset coranique que mon frère a mentionné ici, et du verset, à travers le verset coranique, on a bien compris que l'islam a bien tenu compte de, des relations familiales, peu importe peu importe euh, la religion de la personne. Et nous nous rappelons bien euh, des relations familiales du, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec son oncle. Et nous savons très bien que l'oncle était un polythéiste. Et aussi la femme du prophète, Asma bint Abu Bakr, avec sa mère. Nous nous rappelons de ce qui s'est passé entre Asma avec sa mère, et qui était euh, retourner au prophète Mohammed alayhi wa sallam pour confirmer comment elle doit faire. Et sa, mère ah, l'a euh, euh, visité. Asma, Asma, hein, qui était la femme du prophète sallallahu va trouver le prophète sallam et lui demande euh, est-ce que je peux accommoder ma mère, parce qu'elle n'est pas musulmane et le prophète sallallahu dit pourquoi pas. Tu peux même accepter le cadeau qu'elle t'a amené. Bon, et ceci veut dire que, bon, peu importe la religion d'une personne, bon, la famille, c'est la famille. Donc, ça veut dire que l'islam euh, encourage l'amour et la paix. Merci, beaucoup. merci beaucoup. Donc, euh, cela veut dire même que euh, l'islam n'est pas une religion qui rejette toute autre personne parce qu'ils ne sont pas des musulmans. L'islam a seulement un problème, à ceux qui veulent faire du mal aux musulmans, lorsque vous le faites. Mais si vous vivez paisiblement, l'islam n'a pas de problème euh, avec, vous. Euh, euh, c'est très important parce que même l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque veut que Allah élargisse ses provisions dans ce bas monde et aussi que quiconque veut qu'Allah lui donne une longue vie doit, doit respecter les liens euh, euh, euh, familiale. Donc, ceci, <clears throat> ce sont des choses qui montrent la valeur de l'islam dans la vie humaine. Donc, il faut prendre les relations familiales comme des choses qui sont très très importantes. Il ne faut pas jouer avec cela. n'est pas dit parce que quelqu'un n'est pas musulman, on ne va pas faire, on, ne va pas s'associer à, eux. Non, c'est pas cela. L'islam nous enseigne d'être ouvert à toute personne qui sont dans notre famille, euh, soit euh, qu'ils soient musulmans ou non. ce sont les membres de notre famille. On, doit, on les doit à des devoirs qu'on doit les donner. Merci beaucoup. euh, il, y a, il y a une autre question, euh, surtout sur euh, la question de, de l'héritage. Est-ce qu'un musulman, parce qu'on vient de dire que on a, il, y a plusieurs communautés dans lesquelles euh, il y a des familles euh, qui, sont, qui, qui, ont des membres qui viennent de différentes euh, religions. Donc, dans ces genres de famille, est-ce que, selon l'islam, un musulman dans la famille peut hériter à un non-musulman ou même est-ce qu'un non-musulman de la famille peut hériter du bien à des musulmans Merci beaucoup, M. Jaslim, euh, euh, concernant l'héritage euh, dans l'islam, il y a deux manières principales pour laquelle une personne peut hériter un défunt dans l'islam. Il y a ce qu'on appelle mirath, ce qui veut dire la manière légale islamique. Et il y a ce qu'on appelle wasiya, et ça, ça veut dire, euh, euh, c'est comme euh, testament. Donc, et les juristes, les juristes islamiques ont la même opinion qu'une personne, un non-musulman, ne peut pas hériter un musulman à travers la mirasse et le vice-versa. Euh, donc, si euh, je, comprends bien, euh, quand on parle du miras, on parle du système d'héritage que l'islam a établi. Et ce système est déjà spécifié à, chaque niveau dans ce système. Il y a des catégories de personnes qu'ils doivent hériter. Donc, on ne peut pas changer cela parce que c'est explicitement défini dans le Coran. dans le Coran. Donc, euh, euh, si, une autre, euh, si une autre personne qui n'est pas dans les catégories des personnes que le Coran a désignées qu'ils peuvent hériter, si la personne ne se trouve pas dans ces catégories des gens, cela veut dire qu'on y a, et, on doit avoir une autre devise, par une autre devise plutôt par laquelle la personne peut hériter. Et cette devise, c'est ce qu'on appelle le wasiya. D'accord, je comprends. Donc, pour la majorité des, euh, des savants islamiques, euh, étant dit que la seule façon qu'une personne, qu'un non musulman peut hériter euh, un musulman, c'est de la manière du wasir. Et c'est ce qui veut dire que seuls les membres familiaux peuvent hériter un musulman à travers le miracle. Donc, ça veut dire que le consensus général des érudits islamiques est que un non-musulman ne peut hériter un musulman qu'à travers Wassiya. Et le vice-versa aussi. Merci beaucoup. Ah, ah, merci beaucoup. Donc, euh, Monsieur Abdgafar, euh, ah, comment est-ce qu'on sait qu'on dit qu'il y une, euh, y a un consensus d'opinion sur le fait que un non-musulman peut hériter euh, d'un musulman euh, à travers euh, le testament dans la charia. Comment est-ce que nous sommes arrivés à cet consensus Ok, merci. Comme on l'avait dit, le wasiya et la Mirath mon frère a bien expliqué les deux termes. Donc, un non-musulman peut hériter à un musulman à travers le wasiya, qui est le testament. Le testament est ce que le, euh, le musulman qui est mort a écrit et dénoncé que celui, cela peut avoir de mon bien. Donc on voit ça avec euh, euh Safiya, qui était la femme du prophète Mohammed. Elle avait un frère juif, donc euh, avant, avant, quand était au monde, elle avait décrit que parmi ses biens, cette partie soit pour euh, son frère qui était juif. Donc, euh, tous les juridites, donc euh, les juristes musulmans sont d'accord que généralement, ce peut, si un non-musulman peut hériter à un musulman, c'est par le, par le wasiya et qu'on voit la pratique avec euh, sa fille qui était la femme de Rasulullah sallallahu alayhi wa Donc, euh, qu'elle a donné parmi son bien avant de mourir, elle a dénoncé que ce partage soit pour son frère qui était juif. et merci. Un non-musulman peut hériter d'un musulman euh, à, travers le testament. Parce que, comme le frère Ibrahim le disait, il y a deux manières principales d'héritage dans l'islam la mirasse et le wasiya. Donc la miras sont les, la manière légale, juridique euh, qui a été spécifiée dans le Coran. Euh, le wasiya est la, deuxième manière de, euh, de, de l'héritage qui n'est pas spécifiée dans le Coran. Mais est-ce que en tant que musulman, je peux décider de donner la moitié de mes biens comme testament à, à, une autre personne, à un musulman, un non-musulman merci, monsieur. Euh, dans l'islam, on le dit souvent que ça, euh, l'islam a tout dit, le Coran et la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne s'est pas permis de donner la moitié, mais on peut donner euh, un troisième, un de, de bien à un non-musulman. Donc, le voici est limité à un troisième. Donc, euh, donc, euh, on ne peut pas donner plus d'un troisième euh, parce que, ok, juste si je comprends, c'est pas, c'est pour que on n'affecte pas le miras Parce que si on donne plus d'un troisième, ça réduit, ça réduit le réserve qui reste pour le miras Ce qui veut dire que le miras ne serait pas assez pour euh, partager à ceux que Allah subhanahu a dit de faire le partage à travers euh, le miras. Donc c'est pour protéger à ceux à qui Allah subhanahu a dit dans le Coran euh, qu'il faut donner le miras. merci beaucoup. Ah, donc Monsieur Ibrahim, votre avis sur cette question Oui, alhamdulillah, c'est bien compris de ce que notre frère a dit. Et ce qui veut dire que généralement, le euh, le terme wasiya euh, euh, veut dire que si on a bien compris, si on a bien compris ça, ça veut dire que un non-musulman peut hériter un musulman à travers la wasiya. Et ce qui veut aussi dire que un musulman aussi qui n'est pas dans la catégorie des héritiers légaux peut aussi hériter un autre par la wasiya. Donc, ah oui, merci pour euh, cet éclaircissement, parce que ça, c'est très, très important. Euh, et si je peux reprendre euh, ce que vous venez de dire, que c'est que un musulman qui n'est pas dans la catégorie de ceux qui peuvent hériter à travers le, la miras, cette personne peut hériter à travers le, le Mais toute personne qui peut hériter par le miras, ne peut pas hériter du Diwasiya parce que cela va, ça va, déranger, ça va déranger la balance parce qu'il euh, il aura euh, sa portion euh, dans le miras et aussi il aura sa portion dans, le, dans wasiya. Donc c'est interdit pour tous ceux qui peuvent hériter du miras de aussi hériter en même temps à, à, à, travers le wasiya. Ah, merci beaucoup pour cela. Donc, euh, et aussi, euh, euh, on parle du, du miras. Hmm. quelles sont les règles qui cernent le miras vis-à-vis un, non-musulman Merci beaucoup. L'opinion majoritaire dit que les personnes qui peuvent hériter à travers la miras doivent être absolument des musulmans alors que l'héritage interreligieux est permissible à travers euh, la wasiya. Et il y a deux hadiths euh, compris euh, pour l'interdiction de l'héritage des, non-musulmans. Il y a même deux hadiths qui interdit l'héritage interreligieux à travers le miras, mais pas à travers le wasiya. Et le premier hadith, euh, comme il était rapporté par Bukhari, disait que le prophète Mohammed sallallahu a dit que un kafir ne peut pas hériter un musulman et un musulman ne peut pas aussi hériter un kafir. Et l'autre hadith de Abu Daoud qui disait qu'il n'y a pas d'héritage entre les gens des différentes religions. Donc euh, pour les euh, les savants qui interdit l'héritage euh, interreligieux on peut bien comprendre que ces deux hadiths sont parmi les hadiths qu'ils ont basé dessus pour faire euh, une preuve évidente de leur à propos de l'héritage interreligieux. Wallahu euh, merci beaucoup. Donc, on a deux hadiths ici qui disent que euh, euh, on ne peut pas un musulman, un non-musulman ne peut pas hériter d'un musulman et un musulman ne peut pas hériter d'un non-musulman quand on parle du miras. donc ça, c'est quand on parle du miras, mais quand on parle du wasiya, c'est possible parce que on a vu même sa fille qui était la femme du prophète sallallahu alayhi wa qui a à donner son testament à, un, qui, euh, à, à, à l'un de ses frères qui n'était pas musulman. Donc, euh, il faut prendre les faits qui, qui se passent et aussi euh, les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. les il faut les juxtaposer pour que, afin on, on puisse faire des conclusions concrètes qui sont fiables même à la religion. Donc, euh, selon ce Tadis, on parle ici des miracles. Et on sait que tous euh, les savants musulmans disent que il est interdit parce que Allah a catégoriquement défini ceux qui peuvent bénéficier, ceux qui peuvent hériter euh, par la mirace. Et il a laissé aux gens de décider eux-mêmes à qui il veut donner les wasiyas. Donc euh, cela euh, montre euh, la différence. Donc pour ne pas être des fanatiques quand à ce sujet, il faut bien savoir de quoi on parle. Il faut bien savoir quelles sont les raisons pour lesquelles on dit en ce moment ceci est, ceci est impossible et en ce moment ceci est possible. Donc le mirage rend possible les, les comment dirais-je, les, héritages interconfessionnels, mais par le Wassiya, un musulman peut laisser de ses biens, de ses biens à, un non euh, musulman. Et, cela doit être écrit et signé là-dessus. Donc, euh, euh, c'est la différence entre le wasiya et le miraf. Et aussi, je crois qu'il y a des savants même qui, il y a des savants qui disent quant au wasiya, il faut aussi faire attention parce que ce n'est pas n'importe, n'importe quel euh, non-musulman il faut donner. Si on a des non-musulmans qui, vivent en paix, qui cohabitent paisiblement avec nous, et que on voit qu'ils ont besoin d'aide, que le musulman est très riche, et il voit qu'une partie, une petite partie de sa fortune mm-hmm. peut aider ce non-musulman à rétablir sa vie, donc il peut lui euh, donner un wasiyah. Mais si c'est un non-musulman qui est agressif, qui, euh, qui fait toujours des tentations négatives envers des musulmans, donc à, cette personne, on ne peut pas lui donner le wasiya parce qu'il est comme un ennemi à, des musulmans. Donc euh, pour cela, on ne peut pas lui donner, euh, parce que c'est comme si on a, on arme, on lui donne des armes pour qu'il se batte, pour combattre les musulmans. Donc cela n'est pas euh, agréable. Et je crois que cela est censé. Euh, aucun pays a vu euh, a donner la force à un autre pays qui le combatte, un pays ennemi pour le combattre. Donc je crois que ça, c'est une chose qui est censée, qui se comprend très bien. Donc, euh, Monsieur je ne sais pas, quel est votre avis sur cette question Monsieur Abgafar, ah, on sait qu'il y a différentes opinions entre les, juristes euh, musulmans ah, sur euh, le fait euh, des, héritages interconfessionnels. on sait qu'il y a des musulmans aussi qui vivent dans les communautés qui ont des différentes familles et, les familles aussi ont des, membres qui ont des tifkis. et les familles aussi ont des, des membres qui sont des, différentes confessions, euh, quel sera votre euh, conseil aux musulmans euh, quand on parle des héritages interconfessionnels Est-ce qu'un musulman peut hériter d'un non-musulman Est-ce qu'un non-musulman peut hériter d'un musulman Quels est vos conseils aux musulmans Ok, merci beaucoup, M. Teslim. mes conseils pour les musulmans, et que doit éduquer notre famille à quoi sert le wasia, à quoi sert le miracle. Et aussi les faire connaître les, les, notions de ces deux thèmes. Et aussi, on doit faire tout ce qu'on fait euh, précisément le, le wasia. Donc on doit prendre des, des, des obligations et aussi connaître le système de, de loi qu'on utilise dans notre pays, puisque c'est très nécessaire. On voit aujourd'hui les gens qui se battent à cause des, des, de, l'héritage. Donc on doit précisément savoir la loi, qu'est-ce que la loi dit, le système qu'on utilise dans notre société. Donc on doit prendre ces mesures pour écrire nos wasiya. Et aussi, si vous voulez que quelqu'un, un non musulman, Peut-être c'est une, personne qui, qui, qui, fait promouvoir la paix et que vous l'aimez. Et c'est une personne qui est aussi honnête avec vous, mais c'est un non-musulman. Donc vous pouvez aussi lui donner de l'argent pour, euh, pour s'établir. Vous pouvez lui donner de l'argent pour s'établir quand vous êtes euh, vivant. Et aussi, vous pouvez faire de bonnes choses à la personne. Ça sont les choses que vous pouvez mettre en place pour éviter tout ce qui va déranger la relation familiale qui était très très bien ordonnée quand vous étiez vivant. Et aussi, on a parlé des cadeaux. On a, a parlé des cadeaux. Donc, euh, si vous êtes vivant, vous pouvez donner des cadeaux aux non-musulmans. Donc, euh, pour se servir euh, de l'un et de l'autre. Donc, ça aussi, ça montre que vous avez vous préservez les relations que vous avez déjà mises en place. Donc euh, cela va avoir euh, de bonnes choses qui seront manifestées après votre départ. Merci. Euh, merci beaucoup. avant de terminer, bon, Monsieur Idriss, quel est votre conseil sur cette question aux musulmans Oh, euh, euh, moi, euh, je vois qu'il est très très important pour la communauté musulmane de très faire attention aux, aux manières laquelle nous éduquons nos enfants. Parce que, à mon avis, je vois que si les enfants ont été bien éduqués, la manière islamique, ils vont bien comprendre comprendre qu'il y a ce qu'on appelle mirat, il y a ce qu'on appelle wasiya, il y a aussi ce qu'on appelle riba, des cadeaux comme ça. Et si tout cela est fait, donc euh, euh, après la mort euh, de, d'un père ou bien d'un membre, membre de la famille, nous, nous, Oh, on ne va pas euh, avoir euh, un problème dans la famille. Et ceci va aussi aider les gens de comprendre qu'est-ce que la personne a mis en place avant sa mort. Est-ce qu'il y a euh, des testaments pour, pour les autres qu'il qu'il avait écrit et et si on a, on, a, on a, compris tout cela, donc euh, même euh, les communautés, ou bien même la famille même, la famille va vivre en paix. Parce que, à mon avis, tout, euh, tout ce qui, qui, amène des, des, problèmes familiales quand, quand on vient de, des sujets de, de l'héritage, et que la famille même n'est pas éduquée de la manière islamique. Donc, euh, merci beaucoup. Donc, euh, pour en résumer, euh, donc, pour, pour maintenir la justice dans une famille qui a des membres de différentes confessions, lorsqu'une, lorsque peut-être le père décède et que il y a d'autres qui disent non, parce que lui et le père est musulman mhm. et les autres enfants peut-être ne sont pas des musulmans, donc oh, oh, on les nie euh, le fait de pouvoir hériter à les parents ou peut-être même les frères ou peut-être euh, les oncles. Donc il faut éduquer la famille aussi bien, avant que quelqu'un décède, pour qu'on sache que même s'il décède, on sait qu'il est musulman et qu'il y a la mirasse qui spécifie tout ce qui peut hériter de cette personne. Mais aussi, on a ce qu'on appelle le wasiya, qui permettent aussi à ceux qui ne sont pas des musulmans, euh, musulmans qui, mais qui sont membres de la famille, à aussi à hériter des biens du, du défunt. Donc, euh, c'est très, très important parce que cela euh, nous aide à éviter l'injustice envers les autres. pourquoi ou comment à nier à un fils à l'héritage de son père parce qu'il n'est pas de la même confession religieuse avec euh, son père. Euh, vous voyez, donc euh, pour éviter cela, il y a un mécanisme développé dans l'islam qui dit, non, même si le Coran dit que celui qui n'est pas musulman, même si le Coran fait la liste, énumère les, les catégories des gens qui peuvent hériter d'une personne et qu'il n'a et dans cette personne, euh, dans euh, dans il n'y a pas les non-musulmans. Il y a aussi un autre mécanisme à travers lequel euh, les non-musulmans peuvent hériter du défunt. Et aussi, il est très très important, souvent, pour éviter des problèmes familiales, bah, on nous enseigne dans ce que vous venez de dire dans vos conseils qu'il est très très important de, souvent en tant que musulman, avant sa mort, de donner quelques, pas, euh, quelques, euh, euh, une partie de sa, de sa fortune à des membres de la famille qui ne sont pas des musulmans il faut les donner pour que ah, éviter, lorsque, pour éviter les problèmes ah, avant, ah, après, après, sa mort. ouais. Parce que s'il sait que je vous ai donné et voici la raison que je vous donne comme cadeau ou même comme testament, ils savent que après le décès, ils auront leur part du, de l'héritage aussi. Donc, ce, ceci sont des enseignements de l'islam que vous euh, venez de nous enseigner, que les musulmans doivent euh, prendre à, cœur parce que ce sont très très importants pour éviter les problèmes dans la société et aussi pour faire en sorte que les relations entre les familles sont des bonnes relations, sont des relations euh, qui mènent au progrès non seulement de la famille, non seulement de la communauté, mais aussi du monde entier. Donc, on va s'arrêter ici. Merci beaucoup d'être là ici aujourd'hui, messieurs. Monsieur. et aussi, merci à nos téléspectateurs et à nos auditeurs à la radio. Merci. Inch'Allah, on se retrouvera dans euh, l'épisode prochain. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.